C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers auditeurs des programmes du studio Kalangou. Nous sommes mercredi 18 octobre 2023 et vous êtes en compagnie de Salamut Kadri et moi-même Top Draman. Bonjour Salamut. Bonjour Rukaya. Pour entamer notre émission Le Niger sur Kalangu, vous suivrez d'abord le flash d'informations suivi d'une bonne dose de musique 100% nigérienne. La rubrique Écho des régions nous amène à Difa. Nous sommes dans ce studio avec notre invité du jour, cher Clément Di Chacho. Il est comédien, réalisateur et producteur ce n'est pas fini. Vous aurez également la rubrique Lotti préparée par l'équipe femme de la rédaction du studio Kalangu et la page Sport. L'édition est assurée par Hila Toussoumana et Kadija Isaka et la technique, il y Kader Chombiano. Alors, bonjour à tous. Voici le flash présenté par Nafisa de Bonjour Nafisa. Bonjour Kaya. Bonjour Salamatou. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Situé dans la zone des trois frontières, le village de Kouaramorgou, appelé aussi Caritas, près de Tamou, dans le département de Saï, région de Tilabéry, s'est vidé de ses habitants ce dimanche. Cela suite à une attaque d'hommes armés non identifiés. Selon des sources locales, environ 200 personnes de 40 ménages ont quitté leur habitation pour se réfugier à Tamou, chef-lieu de la commune, où ils ont été logés dans une école dans une situation déplorable selon les mêmes sources. Des sources judiciaires rapportées par le site Actu Niger annoncent que les avocats de l'État du Niger, à travers l'agence judiciaire, ont fait appel de l'ordonnance de libération de Salem Mohamed Bazoum, ordonnance rendue par laquelle le juge des référés du tribunal de Niamey, saisi par le conseil du fils de l'ancien président, un délai de 15 jours avait été assorti à la décision pour avis d'appel. Pour rappel, Salem Mohamed Bazoum est gardé depuis le coup d'État du 26 juillet dernier au sein de la résidence présidentielle en compagnie de ses deux parents. Enfin, après leur victoire face aux étoiles de l'océan de la Somalie 3-0 le 14 octobre dernier, hier le MENA, équipe nationale de football du Niger, avait été contraint au nul d'un but partout par les chevaliers de la Méditerranée de la Libye. C'était à Casablanca au Maroc dans le cadre du match amical comptant pour la journée FIFA de ce mois d'octobre. Le MENA totalise ainsi une victoire et un match nul avec quatre buts marqués et un encaissé, ce qui donnera sans nul doute au Niger des points supplémentaires pour le prochain classement FIFA des équipes nationales. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa. Fidèles auditeurs, comme annoncé à l'entame de cette émission, notre invité d'aujourd'hui n'est plus à présenter. Il s'agit de Serge Clément, plus connu sous le surnom de Tchatcho, un artiste comédien de renom. Également, il est réalisateur et producteur. Bonjour Tchatcho. Bonjour. Bienvenue et merci de nous honorer de votre présence dans l'émission Le Niger sur Kalango. Merci beaucoup, plaisir partagé et merci à toute l'équipe. Merci, mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je vous propose d'écouter le morceau Ayo qui signifie aujourd'hui de l'artiste Big Abdel. Yeah. dunia dunia shoyi masa dunia kama an yi ruwa an kama anti cika suwa an watse rayuwa ta duniya kumi na lokacinsa iya mune ne gobe ba mu Mpavwa e soune we kechip malam Mousan dakay Moutou na daray wal gobe Mousan dakay Moutou na daray wal gobe Ayaou Mavou san chan soye ya Sakani mou ayaou Mavou san chan ta ou se yi Kikensou kata mou wayo ayaou Komi ya koma dala Mousan dakay baka da hali babu wanda sai sama da kai mutunci babu shi mutunci babu shi adalci babu shi wani adam ya ɗau dan uwa kamar ba komai ba ba mai fagar shi De son vrai nom, Amadou Gadou Abdoulaye Bigabdel est un chanteur, auteur, compositeur. Défini comme quelqu'un d'introverti, Big Abdel, artiste engagé, il voit la musique comme un outil de sensibilisation et d'éveil des consciences. Depuis son sacre, il s'est renforcé considérablement à travers la pratique de la guitare et s'oriente de plus en plus vers une musique plus universelle dont on espère qu'il deviendra une figure emblématique au Niger, voire à l'international. seta uriango kakana hawai miskino kangakane dagonda hahari mm, fongaga mantabaino dajahan kangawa mantabaino mantabaino durawo nicharma isinahonda nibera isinahonda nigabi isinahonda babitala do naga fonnaga durawo nigargasa isinahonda ni fola isinaonda ni lambura isinaonda na na na okay matala warga ina ga tega arzaka cindo mai nyeze goga tabi digite dangane bafo ni gorga sin hina kul kasi girbi marge ne kan wallahi ku sai mun dai masin ponte dana u masin ponte baby. mo gama ga masar gi ga dinga no ni Think I know me and man no got on town. Think I know nigga do me. Think I know me and man no got on town. Funky Kanye so hey, my hand. Mama ipa dali shidi. Ipo no ga no ga ta. Makanza bin gonda. Iko no ga ni bana. Mama ipa dali shidi. avec notre invité Serge Clément dit Tiacho. Rebonjour. Bonjour. <laughs> Alors, qui est Serge Clément et pourquoi le surnom Tchatcho Alors, euh, je dirais Serge Clément, c'est un jeune euh, Nigérien né à Zender. Euh, qui a commencé un peu sa, petite carrière depuis le, primaire. parce que j'ai dit toujours, moi, je, suis né dans, le cinéma. Je suis né dans le jeu d'acteur et tout. Euh, petit-fils d'un écrivain et historien et aussi euh, dans le domaine du cinéma, le professeur André Salifou. Donc, euh, très bas âge déjà, j'ai commencé à lire, à écrire et à découvrir ce quoi le cinéma. Alors, le pseudo-chacho, le c'est juste le concept dans lequel on tournait. J'étais toujours dans le rôle de quelqu'un qui partait tchatcher et à chaque fois, il casse sa ah, tête. Ah, c'est ça, C'est pour ça, c'est le mot en anglais, tchatchi, tout tchatch. C'est ça, ils ont pris pour, pour me coller, comme je rate toujours mes chats pour donner tchatcho. Voilà. Et comment vous vous êtes retrouvé dans la comédie Est-ce c'est une passion ou, un hasard Voilà, euh, comme je disais, depuis le primaire, moi, j'ai j'étais toujours dans l'équipe euh, euh, à l'école quand on tournait et tout. aussi, quand j'étais venu au Britannique militaire, euh, je passais mes week-ends chez mon grand-père. Du coup, je lisais beaucoup de, livres, des œuvres qui, qui parlaient de, du cinéma et tout. aussi, mon grand-père, c'est lui qui a écrit l'un des premiers films nigériens, Si les Cavaliers. Et ça, ça aussi, ça, ça fait partie des choses qui m'ont inspiré. Et après le, le quand j'ai eu mon bac, j'ai fait le BTS d'État en communication jusqu'à la licence. Après, je suis allé au master euh, en communication. Et c'est chemin faisant que j'ai découvert vraiment euh, tout ce beau métier et j'en ai fait une carrière. Vous faites de, l'humour. Comment arrivez-vous à faire rire les gens Qu'est-ce qui vous inspire euh, tous les jours <laughs> Bon, faire rire les gens, c'est naturel c'est naturel dans le sens où euh, souvent pour faire rire, tu prends une vérité, tu la déformes, ou tu prends un mensonge, tu exagères, ou dans la gestuelle, tu, souvent tu arrives à capter, à capter les gens. Donc euh, c'est c'est vraiment ça qui, qui fait que c'est plus facile. Après, tout est une histoire de d'actualité. Et mhm. la plupart des thèmes qu'on utilise, euh, qu'on joue, c'est des thèmes qui sont d'actualité, des thèmes qu'on vit notre vie quotidienne pour qu'on mhm. puisse vraiment parler de l'actualité et essayer cette actualité de la répandre tout en donnant de l'humour, tout en faisant rire. C'est difficile de faire rire. Euh, pas difficile, hein. <laughs> tout dépend de, comment on le fait et pourquoi on le fait. C'est ce que je dis. Ça. Et puis, ça dépend du feeling. Il y, y, a des gens, quand tu les regardes directement, tu ris parce qu'ils ont une face euh, qui, est, qui, plus ou moins <laughs> euh, drôle. Et il y a des gens, c'est les mots qu'ils prononcent. D'autres, c'est c'est de la manière dont, dont ils le prononcent. tout est relatif, en fait. C'est selon le feeling. La première fois que vous avez euh, fait une scène ou je sais pas euh, des mots qui font rire comment comment les gens l'ont pris alors euh, déjà euh, on, utilise toujours la, psychologie savoir c'est qui notre cible quels sont les, termes qui, qui, peuvent aller avec quand c'est des jeunes on a nos termes par exemple, aujourd'hui, quand tu dis Hada Hada, Bouga Bouga, <laughs> beaucoup de jeunes savent que c'est des thèmes de, de Voilà, quand tu dis, ah, tu vois une fille, tu dis, ah, une tchapasé. Voilà, c'est des thèmes que les jeunes utilisent. Donc, entre jeunes, on se comprend. Et quand on est devant un public euh, assez sérieux ou plus âgé, on, on, on essaie aussi de, de, de s'adapter à ce public et tout. Donc, la plupart des scènes, on essaie de savoir qui est notre cible, comment elle est, et à notre niveau, on saura comment euh, lui passer les messages tout en essayant de, de, faire rire. C'est très inspirant votre histoire, on a envie d'en savoir encore et encore, mais quand même on va prendre une pause musicale, n'est-ce pas Ouais, cette fois-ci on va écouter et Daré avec le titre Bakilou. Et si c'est pas nous qui nigahino tisihimisihino ningate nigateno tisitenisiteno ningawinigawino tisiwinisiwino aininoru imawi alborbakilu imawi ikwema aiweme wada alborbakilu akonda isibe asinda isibai norogo zibara akakenga hawai Mafundo heo mabofute Malamba chesere sefa Dinga Dinga himi si bafundo sasuwahew mabofuday sakinera malambatanera sakinera cammace seresefa dingainnigainno tisihimisihinno wini si wino tisiwinisiwino noru imawi Alborba kilu imawi bani arwani na gangi zale ina si bai ga sabga sinai bi mana hiki bo ni su si ido ni mata baba bo aga bani seno baka sina kanindo man tai fo seno ni ma berandi bo abai kware no dinga inni ga hinno disi hinni si hinno dinga teni ga teno disi teni si teno dinga wini ga wino disi wini si wino imawi albarbakilu imawi ẹni nuru imawi albarbakilu imawi. que vous êtes en train de kiffer actuellement de Maman Dare Moussa alias Dare est un jeune artiste, rappeur, chanteur, compositeur qui a opté le rap conscience dans le style afro-hip-hop. De retour au studio avec notre invité du jour, n'est-ce pas, Ruki Oui, exactement. Il s'agit de Serge Clément, alias Kacho. Alors, Kacho, la famille, c'est nous, un groupe d'amis qui fait de la comédie. Qui sont les membres alors, euh, déjà, la famille, c'est nous, on a commencé en 2007. On était tous jeunes. les, premiers membres, c'était euh, Serge Clément, moi. J'étais le scénariste euh, et le, réalisateur et aussi plus ou moins acteur principal de cette série. Il y avait Hadiza Hamzabala, Mohamed Sheikh, qu'on appelait Tonton, Kader, Aziz, euh, Aziz et aussi Ali Kadri. Mais avec le temps, on a grandi, la distance et tout ça. Aujourd'hui, la famille, c'est nous. Il y a, on est à peu près 8. Il y a Serge, il y a Hadiza, il y a Ali Kadri qui, est toujours là, il y a Nasser, il y a Ismaël, il y a Younousa, et aussi, ce qui est intéressant, aujourd'hui dans nos productions de la famille, c'est nous, on fait appel à d'autres jeunes comédiens qui ont commencé pour pouvoir développer d'autres thèmes. Quoi. Voilà un peu. Et la famille, c'est nous, s'est agrandie. Maintenant, c'est devenu l'Afrique, c'est nous. Racontez-nous le concept. Ou bien, c'est quoi la différence entre la famille, c'est nous et l'Afrique, c'est nous Voilà. Euh, en fait, oui, c'est grandi, mais c'est beaucoup plus le concept qui a changé. Mhm. Euh, on a vu que depuis 2007, jusqu'en 2021 euh, au Niger. Euh, beaucoup de gens connaissent euh, la famille C'est nous et mhm. on s'est dit il est grand temps qu'on traverse les frontières et c'est là qu'on a créé le concept Afrique C'est nous. Afrique C'est nous c'est quoi C'est l'équipe de la famille C'est nous qui se déplace vers les pays limitrophes du Niger ou un peu francophones, notamment le Burkina, le Bénin, le Togo, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Mali. Et l'idée, quand on va dans ces pays, on rencontre des grands comédiens et des jeunes, aussi des techniciens, pour tourner une série de 15 épisodes de 7 minutes dans chaque pays. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que cette production finie, il y aura le festival Afrique C'est nous qui va rassembler tout ce beau monde ici au Niger. Et c'est pendant ce festival qu'on va découvrir les séries qu'on a faites dans ces pays, on va profiter pour former 100 jeunes dans le domaine de l'audiovisuel, tout ce qui est écriture, art, jeu d'acteur, montage, vidéo et tout ça, tout ce qui est maquillage, et aussi faire des panels pendant ce, ce, festival, aussi faire du tourisme pour qu'on puisse découvrir le Niger. Maintenant, après le festival, il y aura un long métrage qu'on veut faire avec tous les comédiens de ces pays-là réunis. Et en termes de tournage, aujourd'hui, nous avons fini déjà le Burkina, mhm. nous avons fini le Bénin, nous avons fait le Togo et le Niger. On était à deux pas d'aller en Côte d'Ivoire pour le tournage. Il y a eu ces changements de régime et, on a fait un profil bas. Et ça nous a fait rebondir quand il y a eu cette alliance des États du Sahel. Mhm. On s'est dit, voilà une opportunité. Et on va intégrer le Mali pour tourner au Mali. Et pendant le festival, faire du Burkina et du Mali pays d'invités d'honneur de ce festival et profiter pour faire la cérémonie de cette alliance des États du Sahel. Voilà en gros ce que c'est que le projet Afrique C'est C'est quand même un projet qui demande des moyens financiers. Comment vous faites Avez-vous des partenaires euh, c'est vrai, il faut le dire, c'est énorme en termes de, de, moyens financiers parce que euh, rien que Burkina, Bénin, Togo et Niger, qu'on a déjà tourné, je suis à plus de 65 millions de dépenses parce que dans chaque pays, il faut payer les comédiens. <laughs> Il y a l'équipe, on est déjà 12 on doit se déplacer, se nourrir. Et dans chaque pays, on fait au moins un mois et tout. Et ça, sans compter même le matériel qu'on utilise, parce que c'est mon propre matériel. Euh, malheureusement, euh, en Afrique, ou je dirais au Niger, quand tu as un projet, aussi grand, aussi fort qu'il soit, tant que tu n'as pas fait une première, une deuxième induction, on a vu que c'est porteur, on n'accompagne pas. Ça, c'est un. Euh, secondo, euh, on ne s'intéresse pas beaucoup à la culture profondément. En fait, c'est superficiel. On parle culture, mais on n'est pas trop culture. Et on ne consomme pas local. du coup, on a eu beaucoup de difficultés financières. Euh, j'ai eu quelques partenaire, mais quelqu'un qui a un projet de plus de 500 millions, tu lui donnes 1 million. Je, ne sais pas, j'ai eu quelques partenaires ou des amis, par amis aux connaissances qui disent Bon, nous on n'est pas riches, on croit à ton projet, mais voilà notre contribution et tout. Et aussi dans l'équipe, il y a eu beaucoup qui, ont contribué euh, humainement et aussi financièrement. C'est ça qui a fait qu'on a pu aller, mais on est en train de chercher les partenaires pour pouvoir vraiment faire cette première mhm. édition. Parce que imaginez faire venir au moins 10 comédiens dans des pays différents, les loger, les nourrir et après tourner un long métrage avec eux. C'est lourd en termes de, budget. Serge, aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait d'être un, réalisateur au Niger Est-ce qu'on peut vivre de son métier euh, Tout est relatif. Euh, euh, on a la chance qu'il y a une nouvelle génération de jeunes réalisateurs qui, sont en train de revenir parce que pendant, au départ, le cinéma nigérien était une référence vraiment une référence. Et tu étais fier de dire dans ce domaine que tu es nigérien. Euh, quand tu vas dans des pays, on parle cinéma, tu dis tu es nigérien, chacun euh, te respecte, il sait c'est quelle source. Mhm. Et à un moment donné, il y a eu un break c'était perdu, le cinéma avait perdu ses Nigériens, a perdu ses lettres de, noblesse. Mais euh, ça fait à peu près 4 ans, 5 ans, surtout avec l'avènement de Aïcha Maki et des de Rachid Aladin, mhm. qui, étaient venus et avec nous on a redonné une autre image à ce cinéma et qui, est en train de, de, grandir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans cette, euh, dans cette production, dans la réalisation, et on est fier de le dire. C'est vrai, ça nourrit son nom, mais tout dépend de qui le fait et comment il le fait. Mm. Aujourd'hui, euh, on nourrit, on se nourrit pas du cinéma en tant que tel, mais grâce au cinéma. Pourquoi je dis pas du cinéma, grâce du cinéma Parce que quand il y a des appels d'offres des films institutionnels, c'est là que nous, on arrive à, quand tu gagnes un ou deux marchés, tu arrives à, à à gagner en tant que réalisateur. Mais dans le cinéma lui-même, jusque-là, on n'est pas arrivé à ce niveau où tu vas dire j'ai fait un film, euh, j'ai gagné telle somme, sauf si tu as des partenaires de l'étranger qui t'accompagnent. Quoi. Mais c'est, on, se nourrit de, son art. Et moi, je dis Dieu merci parce que j'ai investi plus de 70 millions dans du matériel de production. Fonds propres. Sur, sur fonds propres. Et aujourd'hui, euh, je peux le dire humblement, sans force de modestie, qu'au Niger, s'il y a trois entreprises qui ont du matériel de haut de gamme, je fais partie des trois premières ou des deux premières. Donc, euh, franchement, Alhamdulillah. Et merci beaucoup, Tchatche. Mais avant de nous, avant de partir, euh, supposons que maintenant vous avez vu une fille commande le Tchatche directement comme ça. <laughs> Qui a passé, j'aimerais pas. <laughs> Comme l'heure là maintenant, il est l'heure, on a 22. Alors, <laughs> euh, déjà, il faut avoir une accroche. voilà, vas-y. Voilà. Donc, euh, euh tu vois, là, go, mm. zankam, zankam, nimka, hey, eh, motono, euh, c'est comment et eh, euh, Chucky ne c'est numéro. <laughs> Donc, Zaina, c'est Chucky numéro. Kanugo. Ben, tu prends le numéro et maintenant, c'est même plus facile. Maintenant, tous les jeunes, avant c'était des lettres qu'on écrit pour se draguer et tout. Mais maintenant, checking WhatsApp, WhatsApp c'est fini, mm. ma bébé ça va, Nimdu WhatsApp a déjà atteint bébé et c'est compliqué. <laughs> merci, merci, merci à vous Tchatcho d'avoir répondu présent à notre invitation. Très bonne journée à vous. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, place à présent à la à la rubrique hebdomadaire environnement comme tous les mercredis. Oui, avec les effets du changement climatique au Sahel, notamment au Niger, de nombreux cas d'inondations sont enregistrés au Niger pendant les saisons pluvieuses et cela est une source de maladies comme le choléra. Suivez les explications du docteur Maman Noura Zainabou au micro de Asumana China à cause du changement climatique. Avec les inondations, vous avez tous les déchets de la ville qui vont se retrouver dans les habitations. Et ces inondations sont aujourd'hui ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes. Ce ne sont plus des catastrophes naturelles. Avant, c'est vraiment dû à une variabilité. Mais aujourd'hui, on a vraiment des évidences que ces inondations-là, ces tempêtes de sable sont dues à ce changement climatique par des éléments du climat qu'on voit se répéter pendant des décennies. Et ça montre quand même d'un pas que c'est entraîné par ce courant de, de changement climatique. Donc ces inondations vont entraîner le déplacement de ces germes jusque dans les habitations. Et aujourd'hui, quand vous retrouvez un quartier qui est inondé où les personnes vont se retrouver euh, en communauté dans des classes et la transmission du choléra est favorisée. Donc c'est par ce biais-là qu'on va vous parler. Et pourquoi le choléra Parce que le choléra Vraiment, c'est une maladie infectieuse qui est vraiment facilement transmissible et qui a un fort taux de mortalité lorsque la prise en charge n'est pas efficace et on la retrouve dans la région de Tilaberi le plus souvent. Et dès qu'il y a ces tonnes d'inondations, là même tout ce qui a été enterré comme anciens débris ou vêtements qui ont été utilisés, tout sera déterré. Et c'est l'épidémie qui va reprendre encore. De l'autre côté, j'aimerais parler de la malnutrition qui va découler de tout ça également. Parce que dès lors que vous avez une maladie diarrhéique, elle va entraîner une malnutrition. Et vous savez aussi que le paludisme fait partie des premières causes de malnutrition, notamment euh, chez les enfants euh, de moins de 5 ans. Après la rubrique hebdo, fidèles auditeurs, nous allons repartir en musique avec Barakina sur son titre Chamadara. To ashe a wanda ake so. Baraki na bawan Allah. Dan baba da ko yake neman dala yake dan. Mushe zuba yake neman kuɗi yake shi ma ya sha madaran lilo. Wa ya gaya maka borno gabas take kai maka sha madaran lilo. In ka gani ta maka sha ta kai daka ba ta sha madaran lilo. Kai yaro Shama madaran lilo. Kai lati sha madaran lilo. Shabba dabba lilo. Not take a shabba kar kusha samare kusha emata shamu daralilo inkaganita mata jata kakaita kabata shamu daralilo engar kusha samare kusha emata shamu daralilo inkaganita mata jata kakaita kabata shamu daralilo ils font couper décaler on fait assumer le fond même pas ta mise ton œil qui peut faire je fais plus la guerre je fais que des bébés ils sont plus à terre ils sont tous enterrés L'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu galères, ça se sent. Je suis bon qu'à niquer des mères, y'a ceux qui trouvent ça menaçant. Hey, je suis menaçant, chica je suis qu'à 10%. Wow. Baba kacuce mu kai da ka kai mu kwantagora Kwantagora gari ne amma ba garin Daga mai shan taba sai mai shan giya wata mutu zata ta Chamadra Lilo est un son qui cartonne sur la plateforme musicale et tu es même sur les réseaux sociaux de son vrai nom Moubaraka Issoufou Umoru, connu sous le nom de Barakina, a été la révélation musicale de l'année 2017. À travers sa maîtrise du rap, de l'afro-trap, trap hausa, de l'afro-beat, il est l'un des artistes urbains les plus connus au Niger. na cewa ya gaya makabar na gabas take Baba jane mu je kasa jane mu je sama Wa ya gaya makabar na gabas take shayi ko kamar ruwa yake gidan haya ko da wuya yake mota haya ita ko hatsari take ke kama zanen ki ana miki leke sauke kawa ka ta kai muga soke a taka rawa ka barka a keke har jani sama ka bar ni in lake Hausa muke waka muke magana ce muke magana ce muke sauri muke ba mu zuma barna ma in zake barna ma in zake bar mu je kasa in dora miki in bata kai miki in kara miki layi suke ta yi lodi muke musu rawa suke ta yi sauti ya kai musu da na bada guda ta ce min bata sai na bada biyar sai na bada biyar ana nan ana nan sai ta kai mu ga gob haba delu a bar haka kin san ba da son haka eh yo mi zai faru mi zai karu a bar ni in tai haka haba delu a bar haka kin san ba da son haka yo mi zai faru mi zai karu a bar ni dan baba da koyake Chers auditeurs, place à présent à l'écho des rejoints. Oui, cette rubrique est consacrée aujourd'hui à la récupération et à la vente des ordures métalliques ou vieux métaux à Difa. Reportage, le reportage est signé Guy Abdraman. Jihar Difa jiha ce mai fama da rashin aikin yi, hakan ne sa matasa da dama ke sana'ar sayan karafa da aka fi san da suna bola domin dogaro da kai. Suna zagayawa cikin gari domin sayan karafuna ko kuma su ba yara halawa ko duk wani abu domin su ba su tsofin karafuna sai dai waɗansu na gurɓata aikin ta rashin bin ƙa'idojinsa in ji isufu garba mamba na ƙungiyar tasu ya ce irin wannan ɗabi'a da suke yi domin neman tsofin karafuna na nan ga gurbata musu aikinsu. Ni wannan abu yana cikin abubuwa da yake mini ciwo saboda wannan abu ne wanda yana jayo zagi wanda kuma in an yi zagi ba wanda da abun yake ma ciwo kamar ni da yake gari na ne saboda wasu mutanen zuwa suka yi baki ne suka zo da wannan kasuwanci suna yin shi kuma ba tare da tsaftacewa ba babu ruwansu da duk irin abun da aka dauko aka kawo za su saya su tafi da shi Bana jin daɗi in ga mutum ya zo iya yawo iya neman kaya kayan shi an ɗauko kuma a rasa waye ɗauke shi ko kuma waye saya kullum ana yawo da yara kira na guda ne akan masu irin wannan sana'a musamman irin masu kuraye masu yawo cikin gari masu amsan wani karfe a hannun yaro yaro zai iya ɗauko karfe muhimmi ne a cikin gida ya zo ya ɗauka ya baka kai kuma ka ɗauki wani aya ko kuma wani bambo ka bashi irin waɗannan mutane su haƙura su bar wannan abu gaskiya su yi ƙoƙari su gani duk abin da aka kawo suka kalle shi suka ga muhimmin abu ne su yi haƙuri da su bar shi da yaron idan bai samu wanda ya siye shi ba zai iya maida shi inda ya dauko shi ko na gidansu ne ko kuma na wani makwabcinsu ne masu kurayen nan gaskiya abun ma ya fi yawa a wajensu ga ra'ayin wasu 'yan gari da uwaye game da irin wannan ɗabi'ar ta cikin wannan sana'a. Muna kuka da irin wannan abun sosai kuma abu ne wanda yake gaskiya yana ɓata ƙasa kuma yana ɓata ma masu zaune gaskiya yana ɓata musu suna. Bai kamata ba a ce ana barin su suna yawo cikin gari saboda yara za su ɗauko kaya su kawo musu kuma su ba su wani ɗan abun da bai kai ka a ba su aya ko a ba su wani ɗan abu wani ɗan abu dai bai kai ka ko guntun roba ko guntun halawa faɗi a gwamnati gaskiya ya kamata wannan abun a yi hanyar da za a yi duka a tsayar da wannan abun. A matsayina na uwa wannan ba sana'a na ababen bola gaskiya abu ne wanda ya kamata a tashi a yi duba bisa kan shi saboda yawancin masu baban bola suna amfani da yara ne suna ɗauke-ɗauken abubuwan mutane in nace ɗauke-ɗauke ba ina nufin suna sata saboda yara za su ɗauki wani abu su kuma sun san abun yana da muhimmanci na uwa wani murhin kwano kwanan wani kesa wanda mata ke yi suna aje kuɗin su yaro ya ɗauka ya bada kuma ko mutumin nan ya tayi ya fasa alhali ya san akwai kuɗi a ciki bai kawo kenan shine abun da bai kamata ba fisibila ya kamata a wayar wayar musu da kai su san ita ba bola ba a ce sana'a laihi ba ne ba su san yadda za su tafiyar da sana'ar su ba tare da cutarwa ba eh gaskiya dai wannan kuskure ne bai kamata a ce mutum dan ya fita neman abinci a ka masa kaya mai kyau ya sani kuma ya siya ba gaskiya wannan bai dace ba ya kamata a masu magana a ja masu kunne kan su daina irin wannan abubuwan al'umma da dama na ganin cewa Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Place à présent au sport avec euh, Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Tout d'abord, parlons du MENA à l'équipe nationale de football du Niger qui poursuit ses préparatifs pour les prochaines éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. Oui, après leur belle sortie le week-end passé, euh, au Maroc, donc contre la Somalie 3 buts à 0. Les poulains de Zakaria Ibrahim ont joué leur euh, deuxième match amical hier contre les Chevaliers de la Méditerranée de Libye. Le match euh, s'est terminé par un nul, un but partout. Soumana, la Confédération africaine de football CAF a publié le calendrier de la Ligue des champions féminins Côte d'Ivoire 2023. Oui, le 10 octobre dernier, les six équipes, donc les six clubs euh, féminins champions des zones et deux autres équipes euh, supplémentaires ont participé à la cérémonie du tirage au sort effectué par la Confédération. Le résultat du tirage au sort est le suivant. Donc, euh, le groupe A est composé de l'Atlantico FC d'Abidjan de Côte d'Ivoire, Sporting Casablanca du Maroc, et il y a la mélodie Zundao de l'Afrique du Sud, JKT Kien de Tanzanie. Le groupe B est composé de l'AS FAR du Maroc et Ampem, la prononciation n'est pas tellement garantie quand même, Ampem euh, Gardois, donc de Ghana, Dargoa du Ghana, et il y a aussi euh, l'équipe de la Guinée équatoriale, le Ricanes FC et à la SA Man du Mali. Les matchs se dérouleront du 5 au 19 euh, novembre 2023 à San Pedro au stade Laurent Pogou et à Corgo au stade Ahmed Gonkoulbali en Côte d'Ivoire. Donc euh, les matchs euh, d'ouverture, donc le match d'ouverture opposera l'Atlantico FC d'Abidjan euh, au, au, Sporting euh, Casablanca du Maroc. Voilà, donc c'est tout pour euh, aujourd'hui. Excusez aussi sur les prononciations. <laughs> Merci beaucoup. Merci Swan pour ces précisions. Salam, on passe au portrait du jour. Qui allons-nous découvrir aujourd'hui Oui, on va parler de Aïcha Amadou, la quarantaine, mère de famille, mène son petit commerce dans un établissement scolaire. Chaque matin très tôt, la brave dame commence à préparer les galettes de soja connues sous le nom de Awara. C'est grâce à ce métier qu'elle souvient à ses besoins Ummu Umaru est allée à sa rencontre. On écoute. Sana'a muna yin tare da sahi. Ina yin awara da dan musu da burodi. Shi dai na muka saida. To in kin yi shi ina kike kashi take saida shi? Can sheje lazare. Can nika zuwa in saida shi. To yaushe kika fara wannan sana'a? To sana'a wallahi ta jima tun an kai dai shekara goma sha biyu da ni fara yin shi ina zuwa can mai awar na daɗe ina yin shi cikin gida to da bayan da ina cikin gida babu ciniki sai ni koma ina zuwa shi je lazare to tun da sai muna saida to lokacin ki tahiya sai je lazare tun karye takwas muka zuwa in mun ta karye takwas in sun dan saye in sun shiga akwai wasu waje wayanda akwai waje suko suna saye suko in sun saye in sun shiga wayanda sun ka hito su ma suna saye haka nan na lamarin wallahi nan gida ina yin dan keke na da ɗan awara da ɗan farin masa duk da yana yi dai kaɗan kaɗan ya yi zaman banza. To yanzu me ya ba kuzari da kike wannan kasuwanci? To abin da ya bani kuzari ina biya mu kaina bukata alhamdulillah ban zuwa wajen wani in ce shi bani wani abu. kenan na gode ma Allah na yi ma Allah godiya da wannan wannan ma abin godiya na wawo duk wanda bai zuwa ce mu wani bani ya gode ma Allah alhamdulillah Allah shi kara mana mu duka godiya to yanzu wannan kasuwancin da kina kina yi menene amfani da kinka samu cikin shi To amfanin da ni samu yana da yawa tunda ko ba komi ka yi abubuwa da yawa ciki kenan ka yi amfani ko baka samu gida ba baka sayi wani abu ba ka dai biya bukatar ka dai ka gode ma Allah wani bai sa abin da kake ciki ba kenan wannan ma godiya ce to yanzu sana'a da ke baki taba samun matsala da mai gidanki ba ko ɗaya rana bai taba bakin ciki don saboda sana'a ga ni kai ko ɗaya rana wani irin kira zaki ma yan uwarki mata to wallahi mata su tashi da kansu yanzu dai kai maman namiji duka na ga iya ɗaukar gida gaskiya Allah ko in ka tashi kan nemi sana'a Allah na taimaka ma shi maka saura kai ma kai makan ka saura haka ina ita rayuwa yanzu taimakan in taimake ka na o oh, haka nan dai na wallahi to biskan kasuwanci ga mene matsalan ku da ya kamata a daidaita don ku samu ku kai kasuwanci gaba matsalan mu rashin kuɗi da yawa yallin na bai kai ko ina ba wani bi in ka wara na sai shi mutu ka koma ka abun ga sai ka koho kuma haka nan dai na rayuwar take ciki wani irin taimako kike so amma mata waɗanda suke da kuzari wallahi su taimaka musu in suna da in suna da su taimaka mata yan uwansu su ma su samu su hita cikin talauci su ma su kamma su ba sai sun ta sun ce mu wani shi ba su Repartons en musique fidèles auditeurs pour écouter Dunia de Tal National et c'est la dernière de notre playlist d'aujourd'hui. Thank you. bidowa dan shagali ya ce da gaske aure ya ce da gaske to 'yan maza so masoyi to 'yan maza kuna ne kudi yana bidowa don shagali ya ce da gaske aure ya ce da gaske eh, Sulaiman wa ina da zan wade wade abin gudu ne to in maza kuna ji ni ma yana da zance don allah a daina wade wade baba kortso momaigudune kortso ngari mujena ce ta delu ga mai bakal anni alga fuska baka ce ta delu mai babbaku idanu kwarton garin mu bamba inda lokacin suka ne da mun shashi cikin dawakai kudin gaza ya ci su tun da mai gudu ne almai kasuwa ta ci ta wuce sai na gane dundujan shi tun da mai gudu ne mai da an gayawa el kudu el kudu el kudu to el gidan su aje ba da wuri da rairai ranar da ya da ta ya kashe ta duniya wayo duniya nyame ta capital salma wannan gaskiya ne garin da kowa sarki wadi wadi garin da kowa sarki ga ruwan kudi kuma ga 'yan mata wallahi amma gwamnati baban na sarce muna zuwa can maza ku zo mata ku zo mu je ku je gwamni baban na san yana shirin maza ku zo mata ku zo mu je ku je mu taru gwamni baban na san yana shirin mu na sarama ina jiranka president da ma ina ciran ka da ma ina cira Wai dudu ma yana nan Karimu ma ina ciranka ka Ku zo mu taru gwamni ma banda sai cira litina jara ma ina ciranka da kama ina ciranka ni suleiman ma ina da zance zancen da mai yawa ne kowa shi kan makai ne halima el fulani ai son ai borsi tari ai son ai borsi zarba ai son ai borsi dunguru ku zo mu taru gwamni baban na yana jira songai borsi zarba ai songai borsi uburu ku zo mu taru gommi baban na sayar na jira mu deje musuru mai na na iyayen zamu na da wasa musuru mai na ciranka habibu mai na ciranka dosa zamu na da wasa na sayar mai na ciranka alkiza zamu na da wasa kowa shi kan makai ne abdullazi zubai so so ay songai borsi tari ay songai borsi zalba ay songai borsi humburu C'était le titre Dunia du groupe Tal National. Salamatou, on passe au loti. La lotie d'aujourd'hui, la défécation à l'air libre a des conséquences sur notre environnement et notre santé car elle contamine les sources d'eau potable et est la source des maladies telles que le choléra et d'autres maladies hydriques. C'est pour cela qu'il faut utiliser des toilettes et laver ses mains plusieurs fois de la journée, n'est-ce pas En effet, je vous propose de suivre cette conversation entre Rakia Arimi et Samira Rafi et c'est la chronique lotie du jour. Affairage, affairage, affairage, affairage. c'est toi qui fais tes besoins la maison comme ça Où est ta mère même dans tout ça là Attends, tu vas. Salam alaikum. Salam alaikum, Sadia, tu es là Oui, entre copines. Tu vas au champ à midi comme ça Non, je suis de retour. Je viens de voir ton fils faire ses besoins, juste derrière la maison. Comment as-tu pu laisser faire ce genre de choses D'après ce que j'ai vu, ce n'est pas la première fois. Ah, tu sais, les enfants ont peur d'utiliser les latrines. C'est pourquoi je les laisse aller dehors faire leurs besoins. <laughs> Ah bah Sadia, ce n'est pas drôle. Est-ce que tu es consciente de ce que cela peut causer Ne t'inquiète même pas. C'est la saison de pluie. Tu verras dès qu'il va pleuvoir, l'eau va tout emporter. <laughs> Et ça sera propre à ton second passage. On est en saison pluvieuse, c'est exact. Et c'est la bonne raison pour laquelle tu ne dois pas laisser tes enfants faire leurs besoins si ce n'est pas dans les latrines. Ah bon Mais pour quelle raison Tu sais que le marigot n'est pas loin de chez toi les besoins de tes enfants peuvent atteindre le marigot. Et si l'eau est contaminée, tout le village sera atteint du choléra. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, choléra hein? Oui, le choléra. Et je n'ai pas fini. Restons juste chez toi. Regarde l'état de ta maison. Ça manque d'hygiène. Des tas sales par-ci, avec des mouches tout autour, des eaux usées versées par là. Ces mouches vont déposer leur lot de microbes dessus, ensuite venir toucher vos mains et tes ustensiles de cuisine vous risquez d'être tous infectés. Imagine ces selles juste derrière ta maison. Les mouches qui l'auront touché viendront toucher tes affaires, ta nourriture, et j'en passe. En tout cas, je ne peux même pas t'estimer le degré de la gravité de la situation. Oh non, je ne vais pas descendre. Mais quelle est la cause du choléra même Déjà, la transmission est interhumaine et environnementale. Le choléra est une infection diarrhétique aiguë provoquée par l'indigestion alimentaire, ou d'eau contaminée. Les brillons colériques sécrètent dans l'intestin la toxine colérique qui provoque la perte d'eau et l'électrolyte jusqu'à 15 à 20 litres par jour. Et ça dit, si tu vois tes enfants avec les symptômes suivants, une diarrhée aqueuse abondante, mais sans douleur, des vomissements de liquide clair, des nausées, alors je te conseille de les amener sans attendre au dispensaire le plus proche du village, car la maladie peut tuer en l'espace de quelques heures si aucun traitement n'est administré. Subhanallah je suis foutu. J'ignorais vraiment tout cela. Mais comment est-ce que je vais faire pour éviter cela Déjà, l'hygiène doit être respectée dans ta maison, ainsi que le lavage systématique des mains. Faire nos besoins dans les latrines isolées des points d'eau potable. L'hygiène alimentaire, c'est-à-dire laver soigneusement tout ce que tu manges frais et bien cuire les aliments. Merci beaucoup, ma chérie, pour cette sensibilisation. Sinon, qui c'est ce qui peut m'arriver à moi ou à ma famille Non, c'est la moindre des choses. Surtout fais vraiment très attention. Il y a déjà plusieurs cas confirmés de cette maladie dans le pays, dans les villes comme dans les villages, donc on doit être vigilant. Non, je vais faire très attention. À partir d'aujourd'hui, on va tous utiliser les latrines et bien laver nos mains et les aliments que nous consommons. Et j'en parlerai aussi autour de moi. Voilà qui est mieux. Bonjour, rentre à la maison, mais les enfants doivent sûrement m'attendre. Vraiment, merci Hanatou. D'accord, bonne journée. Merci les filles pour le loti d'aujourd'hui, chers auditeurs. Nous sommes en compagnie de Moussa Hassan pour la culture linguistique. Il nous vient avec le mot solidarité. Moussa, bonjour. Bonjour Salamatou, bonjour Kayetou. Bonjour Moussa. Merci de me donner l'opportunité d'expliquer ce mot d'aujourd'hui qui est la solidarité. En effet, selon le dictionnaire Le Robert, la solidarité est un sentiment qui pousse des personnes à s'accorder une aide mutuelle, soit par devoir moral, soit parce qu'ils ont une communauté d'intérêts qui existe entre elles. La solidarité se définit donc comme un devoir social, une obligation d'aide, d'assistance ou de collaboration gracieuse entre des individus d'un groupe ou d'une communauté. On la distingue de l'altruisme du fait que la personne se dit altruiste, qui se dit altruiste, peut souhaiter aider autrui, mais sans se sentir concerné par ce qui lui arrive. Dans la notion de solidarité, on trouve toujours la réciprocité ou une forme d'échange mutuel qui crée un lien entre les individus en les obligeant réciproquement à donner, recevoir et rendre. La solidarité est un moyen de garantir la stabilité d'une société. En effet, elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre correctement. La recherche d'un bien commun permet de limiter les trop fortes inégalités sociales. Les ressources de la société sont donc partagées de façon à peu près équitable. de musa la solidarité zarmci ga solidarité zarmci solidarité d'egiti giti ne kango kulu binara wanu wana iga margu bata ma iga margu al'umma iga margu haifo dai kan nan ya fosintare wala misa beri fo dai go iga mara nga dai dine soldate sanda kyar gaksina di wo tinai beri no kango ina da mizi yan bon im dugi kyar gaksina da sandai ka wala im kam nan kyar kamara kamura du fo feri kanga i kulguna wala kangi wane al'umma guna amma wadinga fayan kan da gwamnite yan an sa shirya gida altruism zam ni gini gwamnite bor furse ni ta ni na go sandera ni ta si amma ni sida ni bora kan ha kan ka gadi ni guna amma ni hare ka kirga na gudu har no karan kunna ga guna aran kam dan kan bara ga kirga sina be kulu ngi na kokaro ci na me ya ga kirga na din wo fondo no kan ga kan de ka kai da al umara zama tabbat a bore ima bafune ga sasaban di gamara bore imi di ker se kan ganin fayan fayan kamusi bagumo ina da mi zai kai yango nyak merci merci, beaucoup, pour ces éclaircissements merci. alors chers auditeurs si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais en français en zarma en hausa en tamashek et en fulfulde n'hésitez surtout pas à nous laisser un message écrit ou une note vocale au 82 89 89 64 je répète 82 89 89 64 nous allons à présent écouter

Ah, assalamu alaikum wo ma akani gumu nafa sabon sa ga nafa gumu ma zada ga ga ba mi so o sa inge inge o sa ira di ase ku wallahi eh, kalangura dia wati kanga ga hangana sai wo kai wallahi gonda ban ferai irga hangana sai gumgumo wallahi murado goga te wallahi program wallahi man dia ga tali oh irman jiya ga tali kulu kalangura wallahi labara din irgo ga hangan agogo na fumo gumo ka gogo na fa irgo ma labarai irgo ma ra de himma donc yan ga kadai irko talama murado fere irko go tonton de yadin wallahi kolongo labari labari kulungeno go kandirse irgo ma ise gumo wallahi irko talam dogna tabbati labari dai kan irgo mai kani dai gita hankan go te labora irgo go fahamani boraise irgo go dumo labari yankan ga kanir sera matkan dai aghiman da dai kan imne danga radio dai kan go ga ifan sirwel labora kalangu dai no kalangu bandir sigidu radio kan kan irgo gir fahamani gumo go to kalangu kai fisbillah wallahi matkan irgo biya sena asinde ta alkulu kada irko manan am podi jine amma ka an kaso kai wallahi alhamdulillah masha Allah C'est ici que prend fin l'émission Le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Vous étiez avec euh, Salamot Kadri et moi-même Rukaito Drama. Rahila et Kadigatu Isaka à l'édition et Kader Chambiano à la technique. Rendez-vous demain à 11h pour un autre numéro de Niger sur Kalangou. Ne, manquez, pas, la grande édition de 17h pour, suivre les journaux du studio Kalangou. E ranka bai ya ɓaci in ji rasulullah Allah ba ya sa musulmi kumya Allah ba ya sa musulmi kumya ni ba ni abota da wawa ni ba ni abota da kazami ni ba ni abota da rago rago yana ana ka kazance in ji malum rago yana kazati nje malumbale ga wata ta yi ma wata gori ba ta da kiran mata kwami ta tuntuba zai faɗi kwami ta tuntuba zai faɗi dan ba kore ne ba buzu da rakumi buzu ne buzu da rakumi buzu ne